le forum du studio le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème l'importance des jardins scolaire au Niger, quel impact sur l'éducation des enfants Dans une étude euh, publiée en 2009, le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, la FAO, encouragé les écoles à créer des jardins de dimension moyenne euh, qui pourrait être facilement gérée par les élèves, les professeurs et les parents, mais en même temps produire euh, de nouveaux légumes et fruits nutritifs et parfois même permettre l'élevage de petits animaux comme des poules ou des lapins. Les méthodes de production sont simples afin que les élèves et leurs parents puissent sans difficulté euh, les réutiliser chez eux. Les systèmes alimentaires constituent le concept euh, structurant euh, de la parcelle à la marmite. Les élèves apprennent à cultiver, récolter et préparer des produits de saison nutritifs dans le cadre éducatif de la salle des classes, du jardin, de la cuisine, de la cantine, de l'école et de leur foyer. L'expérience euh, promet le bien-être environnemental, social et physique de la communauté scolaire et aide à mieux comprendre comment le monde naturel soutient notre existence. Avec nos invités, nous allons voir ou comprendre toute l'importance des jardins scolaires pour un pays pauvre comme le Niger et leurs impacts sur l'éducation des enfants. Nous avons donc euh, le plaisir de recevoir Bakiri Suleiman euh, du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Bakiri Souleyman, bonsoir. Bonsoir. Jibo Hamani Alfari, président de l'ONG Libo. Jibo Hamani Alfari, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, nous avons également Soumana Haruna, enseignant à la retraite à Gote, région de Tilaberi. Soumana Haruna, bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, suivons d'abord quelques citoyens qui se sont exprimés sur l'importance euh, des jardins scolaires à Gaïa. Ils sont interrogés par euh, Ramatou Issa Wanché. Nous avons vécu cela pendant qu'on était élèves nous-mêmes. Et je peux dire que c'est très éducatif, le jardin scolaire, très formateur, parce que non seulement les enfants apprennent à planter les arbres, à les entretenir, peut-être même à étudier les différentes plantes, hein, les différentes parties des plantes, surtout une formation en matière de gestion des produits du jardin scolaire. Nous avons connu ça ici à Gaïa même. Le jardin scolaire, chaque classe, il y avait des élèves qui étaient désignés pour passer la journée dans, l'école. Et dans chaque classe, hein, je dis bien dans chaque classe. De sorte que que l'enfant soit du CI, du CP ou jusqu'au CM2, il y avait toujours une équipe hein, qui devait surveiller et travailler dans l'école. Chaque jour, ou plutôt chaque week-end, autrefois c'était les jeudis et samedis, les jeudis et dimanches parce qu'on travaillait le samedi. Les élèves amenaient du, fumier à l'école et on euh, déversait ça autour des plantes. Donc vous voyez, les enfants apprenaient déjà à vivre avec la plante. Pour les fruits, par exemple les, les, quand on recueillait les fruits, toute l'équipe rassemblait les, fruits et on emmenait chez le directeur de l'école. Il faisait une répartition par classe. Et il y a une partie également qu'on vendait pour la coopérative scolaire. Oui, donc vraiment, c'était vraiment très très bien et très utile pour, et pour l'école et pour les élèves. Mais nous manquons de terrain maintenant, parce que ce n'est pas tout terrain qui est approprié pour le jardin. Et on ne fait pas le jardin dans n'importe où. Par exemple, le jardin dont je parlais, quand nous, on était à l'école primaire, l'école était d'un côté mais le jardin s'est trouvé bien plus loin, vers, vers, le fleuve. Et donc, il y avait un déplacement qu'il fallait faire pour aller vers le jardin. Or, ici, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver un terrain pour <laughs> faire, Tout ce qu'on peut faire, c'est délimiter un petit terrain peut-être pour faire de la salle. Et ça aussi, hein, vraiment, compte tenu des effectifs, ce n'est pas très possible. Ça permet aux élèves d'avoir une idée de l'agriculture, comment entretenir les plantes et aussi l'importance de ces plantes-là. Par exemple, euh, quand vous prenez les salades, euh, quelles sont les vertus qu'il y a et quel est euh, l'apport nutritionnelle de la salade dans l'organisme. Tout cela, c'est très important. Et aussi, euh, pour la santé, certaines plantes, euh, pour l'organisme, le développement de l'organisme, tout cela, c'est important. En même temps, on les initie aux travaux. Parce que, euh, vous savez, après un certain nombre de temps passé dans les classes, on vient, c'est aussi une sorte de distraction pour venir au jardin arroser. Le, simple fait de voir la verdure là, c'est vraiment une distraction. Ça permet, ça permet au moins à l'élève d'avoir une certaine assise psychologique pour pouvoir être vraiment content de la journée. Il y en a assez. Sinon, maintenant, on a tendance à négliger les, jardins scolaires, mais ça, a des apports aussi financiers. Est-ce que vous voyez il y a certaines écoles qui, vendent la, récolte de leur jardin pour avoir quelque chose et mettre dans la coopérative scolaire. Puis maintenant, se payer des bics, des crayons, un peu, euh, ainsi de suite. Bakiri Suleiman, vous venez là d'écouter quelques citoyens qui se sont exprimés sur l'importance euh, du jardin scolaire. Les activités pratiques et productives, les APP, permettent à l'enseignant d'introduire de nouveaux concepts et développer des compétences pratiques chez les élèves. Aujourd'hui, quelle est la situation de toutes ces activités au sein euh, des établissements scolaires au Niger Ok, merci. Euh, j'ai suivi donc euh, avec intérêt l'intervention de, ces deux intervenants. Concernant donc les activités euh, pratiques et productives, les APP comme communément qu'on les appelle, sont des programmes qui sont insérés dans les programmes scolaires. Et c'est là depuis longtemps que ça a été inséré dans les programmes scolaires de l'enseignement au Niger. Et de nos jours, ces plages existent toujours. Quand vous regardez, vous prenez une plage horaire, un emploi du temps, donc euh, du CI au, CMD, vous remarquerez qu'il y a des horaires qui sont affectées euh, affectés à ces activités. Ça va de 30 minutes à 1 heure selon euh, le niveau, donc du CI au CMD. Est-ce que ces activités sont exercées dans tous les établissements scolaires Normalement, elles doivent être exercées mais souvent, on constate que dans certaines écoles euh, qui manquent donc euh, de débouchés pour faire du jardinage ou autre, euh, les enseignants profitent pour faire de cela un temps de détente, en fait. Ils sortent et puis les élèves se détendent, l'enseignant se détend. Mais en réalité, ces heures sont vraiment destinées à l'apprentissage. C'est pas exclu du système scolaire. Non, c'est pas exclu. au contraire, même on insiste encore là-dessus. Oh oui puisque à travers ces APP-là, ce n'est pas seulement le jardinage qui se fait. Il y a aussi euh, la forge, euh, il y a le tissage, en tout cas toutes les activités qui se trouvent dans la communauté. Donc euh, nous avons des forgerons, nous avons des tisserands, nous avons des, des, pêcheurs. En tout cas, toutes ces activités qui se trouvent dans la communauté font partie de ces activités-là. Donc les enfants apprennent à faire même de, de la poterie. On nous euh, demande souvent aux enfants d'amener de l'argile. On leur apprend comment faire la poterie. Souvent, on, on se déplace pour aller trouver un tisserat. Les enfants observent comment se fait le tissage. Toutes ces activités, en tout cas, euh, existent et existent. En tout cas, on insiste pour que, euh, au niveau de chaque école, au niveau de chaque communauté, que ces activités puissent continuer à être exercées. Euh, Suleiman Bachiri, comment les activités du jardin scolaire peuvent-elles contribuer à l'éducation des élèves à l'école Très bien, merci pour cette question. Effectivement, lorsqu'on parle de ces activités, eh, les deux intervenants ont parlé, vous avez entendu, suivi avec moi que l'aspect éducatif l'aspect nutritionnel. Donc, il y, il a deux aspects qu'il faut tenir, euh, en tenir compte, l'aspect euh, éducatif et l'aspect nutritionnel. Pour ce qui est de l'aspect euh, éducatif, les mathématiques sont prises en compte dans les, les activités des jardins scolaires. Parce que lorsqu'on trace les planches, on fait appel aux formes géométriques. Le carré, le triangle, le rectangle, le cercle. Donc l'enfant trace lui-même sur le sol ces formes géographiques. Sinon, en théorie, le fait dans Ça, permet de, capter facilement, de comprendre facilement. Facilement comment transporter donc la théorie qui est dans le cahier à la pratique, à la pratique sur le terrain. Ça, c'est un. Donc, les mesures de longueur sont prises en compte parce que une planche a euh, euh, une longueur, elle a une largeur. Et comment, euh, si elle a une longueur, elle a une largeur, quelle est sa superficie La quantité d'eau qu'il faut, qu'il faut utiliser, la quantité d'engrais ou d'intrants qu'il faut utiliser, là aussi, les mesures de, capacité interviennent. Donc, vous voyez, en tout cas, tout ce qui se fait en mathématiques est transporté sur le terrain en pratique. Et c'est pourquoi nous disons que l'aspect, le premier objectif des jardins, ce n'est pas en fait euh, ce que les jardins, les, voilà, les produits que les jardins vont engendrer, mais ce sont ces apprentissages, enseignements-apprentissages que nous voulons que l'enfant, donc de la théorie, puisse les transporter sur le terrain en pratique. Et lorsqu'il finira son cycle, l'enfant sera capable de tracer un cercle de lui-même. Il est capable de tracer un rectangle. Donc, vous voyez, c'est des activités, en fait, de la théorie qu'on transporte euh, en pratique. Et on fait en sorte que l'enfant ait tous ces, outils qui vont lui servir à, à intégrer facilement la communauté et à aider même sa communauté. Parce que lorsque eh, l'enfant, une fois qu'il sera dans la communauté, il verra, il verra qu'il y aura des moments où un cercle, il y a la, possibilité, enfin le besoin de tracer un cercle, par exemple pour construire une case. Et maintenant, les villageois ne savent pas comment le faire. Lui, déjà, il a appris ça à l'école, il le fait. Comment eh, le respect des mesures, des mesures effectivement, l'enfant déjà les a les a appris, donc euh, il peut les transporter dans la communauté. Suleiman Bachiri, le jardinage fait partie des activités pratiques et productives, les APP, vous, l'avez rappelé, mhm. ayant été introduites dans le système éducatif nigérien depuis plusieurs années. Aujourd'hui, ces activités ont cependant été négligées dans de nombreux établissements scolaires. Pourquoi selon vous Bon, euh, elles ne sont pas totalement négligées, mais il y a des aspects, des aspects qui interviennent pour que eh, ces activités, souvent, on pense qu'elles soient négligées ou bien qu'elles n'existent pas. Parce que d'abord, euh, une école, il faut que l'école ait des critères pour euh, avoir un jardin scolaire. Il faut un terrain. Est-ce que la cour de l'école est assez grande pour qu'on délimite un terrain assez grand pour faire un jardin Est-ce que l'école a un accès facile à un point d'eau Est-ce que l'école a les moyens, une fois que ce jardin a été fait, est-ce qu'ils ont l'école a les moyens de ah, clôturer Tous ces, facteurs-là sont pris en compte. Ils sont pris en compte. C'est des critères qui sont vraiment nécessaires pour qu'un jardin scolaire soit implanté dans une école. Soumana Haruna, vous êtes enseignant à la retraite. Euh, comment cette activité se pratiquait dans le temps Bon, euh, nous, euh, au, niveau de, de l'enseignement télévisuel, le jardinage, c'est une activité comme les autres. Comme l'a dit tout à l'heure tous ceux qui vont précéder. Et chez nous, comme le calcul, le français, le langage, elle a sa fiche à part. Et cette fiche-là, elle est, elle, est, suivie, en tout cas comme pour les autres disciplines. C'est si vous voulez une discipline à part. Le jardinage, bon, euh, j'étais resté du moins dans un village appelé Sarandou qui est, dans le fleuve, même, si on peut l'appeler. Donc là-bas, pour avoir le jardin, le c'est pour ça. Parce que c'était une exigence, en tout cas, de, des autorités de la télévision scolaire. Chaque école doit avoir son jardin scolaire. Les séries sont portée de Niamey. Et sur l'affiche, il y a, comme l'a dit, le traçage des parcelles, euh, euh, les CNI, tout ça. On apprend à l'enfant d'abord à aimer l'agriculture. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va à l'école qui va devenir docteur, médecin, chercheur ou des, choses. ceux qui ne réussissent pas, il faut qu'ils reviennent à la terre. Et quand ils vont revenir à la terre maintenant, d'abord, ils ne sont pas coupés de la terre parce que c'est des fils d'agriculteurs et d'éleveurs. Hein. Donc, on apprend à l'enfant déjà à l'école à aimer ces activités-là, à les connaître et à les perfectionner. Vous voyez, parce que dans le jardin, l'utilité même du jardin scolaire, hein, vraiment, c'est beaucoup. On ne peut pas les citer ici. Parce que quand vous avez une leçon sur une plante, vous n'avez pas besoin d'aller au fleuve demander aux enfants d'arracher des plantes pour venir à l'école. Non, vous allez directement dans votre jardin avec les enfants. Parce que généralement, c'est la dernière activité dans l'après-midi. Là-bas, vous faites votre équipe, les racines, les tiges, les fleurs, tout ça. Vraiment, l'enfant est en contact direct avec la plante. Donc là, à la fin de, chaque année, on organise une fête. On fait une grande récolte. on invite d'abord l'association des parents de l'élève pour voir ce que les enfants sont en train de faire à l'école. Et on leur prépare en tout cas un petit nez, à salade, gari, frère, mélange, tout le monde apprécie. Et après, maintenant, à la fin de l'année, les élèves font une fête scolaire. Et cette fête scolaire-là, c'est bien le produit du jardin. Parce que là-bas, ça, produit tellement que les enfants ne peuvent pas tout consommer. Donc on est obligé de vendre une partie, faire des, une petite recette. Maintenant, avec le, reste du, de la récolte, là, on prépare la fête au mois. Et souvent, la télévision scolaire engage même des prix pour l'école qui a, qui a, produit le meilleur euh, jardin, c'est-à-dire qui a eu la meilleure production. Et on est suivi. Il y a des, il y a des conseillers il y a un conseil spécial. C'est même un blanc Il fait le tour de toutes les. Parce que c'était le vin école expérimentale, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, il suivait les écoles et il, prenait des photos, il montait. C'est après maintenant que le jury va délivrer pour attribuer le prix à, chose. Donc, vous voyez, l'enfant, d'abord, au niveau du jardin, il connaît ce que c'est que la plante. Il sait comment semer. Il connaît les distances entre les plants, le piquage c'est qu'après le répliquage, il faut faire une clé pour protéger la place contre le sol. Bon, il y a beaucoup de techniques que les enfants apprennent là-bas, même à la chose à l'école. Donc, comme on appelle APP, on a une caisse à outils avec des vrilles, avec des scies, avec des marteaux, avec des clous. Et on apprend aux enfants à fabriquer des portes à partir du matériel du milieu, le milieu dans lequel nous vivons des troncs de billets qu'on coupe on fait des rondelles. On, on, fabrique des portes. On a, on a fabriqué une porte spéciale pour notre gardien scolaire qui ferme à clé que nous ne pouvons ouvrir sans notre présence. Mais tout ça, c'est des techniques qu'on a. On apprend aux enfants à faire des latrines. Parce qu'on a constaté que dans le village, les gens n'ont pas de latrines et c'est à leur livre. Donc, la, télévision scolaire a également pensé à ça. Elle a fait une fiche très simple, très pratique avec le matériel de bord et je vous assure que ça, on a, on a, on a eu vraiment un succès, c'est vraiment formidable au niveau du village parce que des enfants sont retrouvés au village et ils ont fabriqué des latrines à leurs parents. Les parents, ont, avec eux, ils ont creusé les trous avec les dimensions, hein, et avec les trous qu'il faut mettre fermés et les jeunes n'allaient plus, en tout cas, à Les yeux, les yeux, les, les, c'est devenu vraiment une bouche très pratique. Vous voyez, donc, pour les APP, il y a la couture aussi. On a une caisse à, à, outils où il y a les aiguilles, le fil, les morceaux de, chiffon. Et c'est tout le monde qui faisait la couture, pas les filles seulement, c'est tout le monde. On apprend des points de tige, des points de rabais, L'enfant n'a pas besoin, quand il a déchiré sa culotte, d'aller voir un tailleur pour coudre sa culotte. Souvent, il l'amène, il profite des APP pour coudre lui-même sa culotte. Soumana, on va revenir vers vous, le temps de donner la parole à Jibo Hamani Alfari. Jibo Hamani Alfari, comment votre ONG, l'ONG Libo, appréhende-t-elle les questions liées au jardin scolaire euh, voilà, merci beaucoup. Euh, merci de nous donner cette occasion pour euh, parler vraiment des jardins scolaires. Nous, au niveau de l'ONG Libo, nous avons vraiment pensé que ces jardins scolaires sont des créneaux. C'est vraiment un canal par lequel on peut former les, citoyens modèles. Parce que vous savez que euh, aujourd'hui, quand vous prenez l'image de l'agriculteur au Niger, l'agriculteur est très mal vu. Quand on parle de, producteurs, on dit celui-là c'est un producteur. Ou même dans les présentations, les gens ont honte de dire qu'eux ils sont des cultivateurs. Alors que euh, euh, ça, il faut changer la mentalité des gens. Et nous, nous avons pensé que à travers ces activités pratiques et productives, notamment le jardinage, on peut amener les gens à comprendre que l'agriculture peut être aussi considérée comme toutes les autres activités génératrices de revenus. Donc c'est pour cela que nous avons pensé passer par l'école primaire euh, en collaboration avec euh, le ministère de l'Éducation pour changer la mentalité des citoyens. Comme l'avait dit euh, M. Soumana en ligne, l'élève qui vient à l'école ne peut pas toujours être le commis du bureau. Donc, euh, il y trois, on, aura forcément trois catégories de, personnes à la sortie. Il y aura des, élèves qui vont euh, avoir leur diplôme, ils vont être des fonctionnaires, ils vont travailler dans les bureaux. Il y aura des élèves qui n'auront pas de diplôme, mais qui vont devenir des commerçants. Il y aura des élèves qui vont devenir des simples agriculteurs. Mais que ce soit celui qui travaille au bureau ou celui qui va être commerçant ou l'autre qui va être agriculteur, si dès le bas âge, on, lui a appris les notions des bases de l'agriculture, quand il sera grand, il ne sera pas comme les autres. Je prends l'exemple euh, même du commis qui est, dans le bureau, qui va prendre euh, les décisions, que ce soit les, une décision au niveau local ou bien au niveau national. Si celui-là a été préparé mentalement pour comprendre que l'agriculture est une activité génératrice de revenus qu'il ne faut pas négliger et que voilà les, les moyens ou bien voilà ce qu'il faut faire pour que l'agriculture puisse nourrir son homme. Je crois qu'il sera un euh, décideur averti. Deuxièmement, quand vous prenez l'autre euh, qui va être par exemple un commerçant ou, ou, qui va être un entrepreneur riche en quelque sorte par n'importe quel moyen, quand il va devenir riche, il sera prêt à investir dans le domaine de l'agriculture parce que il sait que à travers l'agriculture aussi, on peut euh, devenir riche. Le troisième qui va être simple agriculteur, c'est-à-dire que lui, il n'a pas eu la chance de continuer ses études, il va être au chômage. Et quand il sera au chômage, aujourd'hui, vous prenez euh, au, Niger, euh, la majorité des gens retournent au champ après, euh, euh après tous les hommes. Donc, en retournant au champ, celui-là qui a été initié euh, vraiment pas euh, aux techniques modernes de l'agriculture, quand il va devenir cultivateur comme on, a l'habitude de, de, le dire, il ne va pas faire sa culture comme l'autre qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Donc c'est pour cela que nous avons pensé que les élèves doivent être initiés vraiment à l'agriculture moderne pour faire sortir le pays du gouffre dans lequel il, se trouve. Donc voilà, nous, l'esprit qui nous a poussé à aller vers vraiment le ministère de l'Éducation nationale pour voir comment on peut euh, changer la mentalité de, de la population pour que la population prenne l'agriculture vraiment comme une activité génératrice de revenus comme toutes les autres activités. Et euh, c'est comme euh, le représentant du ministère l'a dit, ce n'est pas uniquement dans le jardin qu'on va apprendre à faire le jardinage. Il y a des notions théoriques. Il l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais euh, quand vous prenez par exemple euh, les problèmes pratiques euh, dans, les classes, on peut montrer à, l'enfant, tu veux faire par exemple ton jardinage, qu'est-ce que, comment tu dois concevoir ton budget pour faire le jardinage Tu auras besoin de quoi et quoi et quoi. Et en posant les problèmes aussi, euh, comme il l'a dit en mathématiques, tu as fait ton jardin, est-ce que tu as eu un bénéfice Comment euh, euh, tu peux dire que tu as gagné ou bien comment tu peux dire que tu as, tu as perdu C'est en, prenant en compte tout ce que tu as utilisé comme intrant, c'est en prenant en compte tout ce que tu as utilisé comme main-d'œuvre, ainsi de suite. Donc voilà comment on peut amener les élèves à aimer l'agriculture. L'autre aspect, c'est aussi de leur montrer l'agriculture traditionnelle, comme faisaient nos, nos parents c'est de leur montrer l'agriculture traditionnelle et l'agriculture intelligente. Et ils vont faire la différence. Donc ici, on, le, on laisse l'enfant faire traditionnellement ce, qu'ils sont, euh, ce que les parents sont en train de faire et nous, on leur montre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et après, ils vont faire la comparaison en, fonction des résultats pour voir que vraiment il est, il est plus judicieux de faire l'agriculture moderne que de faire l'agriculture euh, traditionnelle. Euh, je euh, Alfari, il y a parfois des parents qui pensent que leurs enfants ne doivent pas travailler ou s'installer les mains. Y a-t-il des chances qu'on tombe dans la forme décriée du travail des enfants à travers cette activité C'est juste. C'est juste, et la réaction des parents, il faut le comprendre. C'est juste quand euh, les parents voient l'effort de son enfant et quand ils ne voient pas le, le revenu, je veux dire, euh, euh, le résultat de, ce, de cet effort-là. Donc c'est pour cela que nous, nous avons changé euh, l'approche. quand on initie un jardin scolaire au niveau d'une école, on fait en sorte que le résultat, je veux dire, tout ce qu'il y a comme recette soit partagé équitablement. Donc, il y a ce qu'on doit euh, réserver pour les, les enfants eux-mêmes à travers le, le, COGES. Il y a ce qu'on doit réserver pour euh, l'association des mères parce que nous, dans notre approche, on a aussi impliqué les mères dans la gestion de ces jardins scolaires. Parce que vous savez que quand on, on fait un jardin scolaire, généralement, c'est les neuf mois de l'année. Et euh, quand les enfants vont en congé ou pendant les vacances, le jardin est généralement négligé. Donc c'est pour cela que nous, dans notre approche, on a, on a impliqué l'association des maires pour que l'association prenne en charge les, activités. Mais il y a toujours des parcelles qui sont dédiées pour les cours euh, théoriques. Et cette association aussi a, à sa part. En termes d'exemple, je, vais vous donner euh, une école qui est ici à côté de Niamey qui s'appelle Yeriginde. Chaque année, à la rentrée, le jardin scolaire contribue à hauteur de 400 ou 450 000 francs dans le fonctionnement du, du COGES. Ça, c'est chaque année. Et pourquoi C'est parce que nous avons, comme euh, l'avait dit M. Bakiri, nous avons eu suffisamment d'espace et on a mis les, moyens pour vraiment apprendre aux, maires à faire euh, l'agriculture et les élèves Ici, vous voyez que les élèves vont avoir deux chances d'apprendre l'agriculture parce qu'ils vont apprendre les cours théoriques et pratiques avec l'enseignant, mais aussi pendant les congés ou les week-ends ou même à la descente, quand ils vont venir dans le jardin de travail avec euh, l'association des maires, ils vont aussi, ils vont aussi apprendre en faisant la pratique. Donc vous voyez, c'est des enfants qui sont vraiment préparés pour euh, le futur. Soumana Harouna, de nos jours, quels sont les obstacles sur le terrain La première difficulté, c'est comme l'a dit euh, vraiment, il faut avoir... Euh, vous savez que la terre, aujourd'hui, elle est devenue de l'or. Elle est devenue de l'or et c'est difficile de, de, s'en acquérir facilement. C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'abord d'avoir un jardin avec euh, une attestation de don signée par le chef du village bah, la, la COFOCOM est maintenant remis au directeur de l'école. On fait, fait généralement, ça s'arrête même au niveau du terme de village au niveau du, du, Une fois que c'est signé, vous avez le terrain. Ce terrain, la personne ne peut vous l'arracher. C'est devenu un don, c'est devenu un matériel de l'école qui appartient à l'école. C'est ça maintenant le premier, premier problème. Parce qu'on a vu même pour les, même pour le terrain si vous voulez implanter une école, il faut nécessairement cette attestation-là, ce cas, de don-là. Quand il n'est pas là, en tout cas, même les partenaires qui veulent construire, la première chose à demander, c'est ça. Bon, il y a quelqu'un du ministère là qui connaît la, la procédure mieux que moi. Bon, ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, c'est que il a parlé tout à l'heure là de Liboré. Liboré, c'est dans l'eau. Maintenant, il y a des écoles où c'est même la population qui demande de l'avoir. Parce qu'on ne peut pas faire un jardin sans eau. Donc, il y a actuellement, euh, on a constaté que dans plusieurs villages, quand les, gens viennent, ceux qui font les forages là au niveau du village, on en fait un à l'école, on en fait un pour le village. Là, les enfants peuvent, une fois trouvé leur terrain, ils peuvent faire maintenant un petit jardin. Parce que c'est juste euh, vraiment pour, euh, pour que l'enfant apprenne à aimer l'agriculture, à retourner à la quand fonctionnaire. Déjà, lui, il a un mois, il a déjà un natif qu'il a eu au niveau de l'école qu'il peut pratiquer, qu'il peut mettre à œuvre. Vous voyez, parce que ça, c'est très important. La deuxième euh, difficulté, peut-être, c'est, euh, comme l'a dit euh, tout à l'heure le responsable de l'ONG qui s'occupe des, jardins d'enfants, c'est vraiment l'organisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme avant nous, au temps où on avait, on avait ces jardins qu'on a la possibilité du village, de quand on demandait, ils donnaient, Et vraiment, c'est, aujourd'hui, le monde a changé. Les gens ont évolué. Vous voyez, comme l'a dit l'autre, il faut qu'on voit vraiment les retombées de ces années scolaires. Souvent, c'est ce qui n'est pas fait. Là, la fin, c'est le directeur seulement qui partage avec les enseignants. Bon, bon ils s'en vont, ils ne font rien, ils ne laissent rien si bien que l'année prochaine, il faut tout recommencer. voyez, ça aussi, c'est un problème. Soumana Haruna, quelle est votre contribution en tant qu'enseignant à la retraite pour faire avancer les choses au sein de votre communauté Bon, euh, ma contribution, c'est vraiment de euh, l'ONG qui s'occupe des jardins scolaires. Moi, du coup, c'est Vraiment, ce que je, demande à cette ONG-là, parce que ce qu'elle est en train de faire là, elle est très bonne, elle est, excellente. Il faut que ça soit un peu. faut que ça sorte du cadre de Niamey, du cadre de Niamey ou même des alentours de Niamey. Hein? Et d'autre part, pour qu'on apprenne aux enfants aussi l'élevage. Parce que nous, on a un poulailler, on a, on a un poulailler, on a même. Euh, vraiment des, des, qui font des œufs qu'on mange et qu'on vend tout ça. Il faut élargir, apprendre à l'agriculture. pas seulement l'agriculture, mais vraiment certains, certains aspects très pratiques de la vie qu'on peut faire. Par exemple, coudre une chemise ou une culotte déchirée, tout ça, vraiment, il faut, il faut, il faut élargir. Et le jardin, là, vraiment, il faudrait qu'on revienne là-dessus. Il faut que ça soit, que l'État prenne ça en salle au niveau des donations, des de terrain. Il faut qu'une fois que le terrain et donné à l'école, il ne faut pas que quelqu'un revienne là-dessus. Parce que souvent, je vous ai dit que le terrain aujourd'hui c'est de l'argent. Après la mort de celui qui a donné là, si quelqu'un dit non, non, c'est le, terrain de mon grand-père, on va partager, on va Parce qu'on a vu beaucoup de cas ici. Ça aussi, il faut que les, chefs de village, les, les, maires des communes et même les autorités euh, départementales s'engagent dans cette affaire-là. oui pour essayer de, régler ce problème. Bachiri qui dit euh, activité du jardin scolaire, euh, dit euh, nécessairement des moyens de l'appui des partenaires. Qui sont vos partenaires dans, le cadre de la promotion de ces jardins scolaires-là Ok, merci pour cette question, parce que tous ceux qui, sont, qui ont intervenu tout à l'heure, on parlait des jardins scolaires euh, il y a longtemps de cela, existait. Mais moi, euh, l'école que j'ai fréquentée, il y avait un jardin scolaire. On a même une rizière. Donc, c'était l'appui de l'État, rien que l'État. L'État, c'est lui qui fournit les semences, c'est lui qui forme les enseignants, qui les amène sur le terrain pour que cette activité soit effectuée. Et l'État a continué longtemps à faire cavalier seul parce qu'il n'y avait pas de partenaire. Jusqu'en 1985, euh, au séminaire de Matamay, donc euh, la décision a été prise que vraiment euh, il faut maximiser toutes les possibilités et les chances pour donner à toutes les écoles du Niger qui, qui sont vraiment dans les conditions de faire des jardins scolaires, de pouvoir les faire. Et c'est en ce moment que la CGPE, notre structure actuelle dans laquelle nous sommes, a été créée. Elle a été créée pour que euh, cette fois-ci, qu'on ne laisse pas l'État faire seul le travail, mais qu'on ajoute la donne de la communauté. Il faut que la communauté, les partenaires, les ONG, les AD qui sont là, tout en tout cas les, structures participatives de l'école, puissent aussi amener euh, leur contribution pour que ces jardins soient effectifs dans les écoles. Et c'est cette nouvelle donne maintenant qui, qui permet maintenant vraiment de, euh, de dire avec assurance que euh, les jardins scolaires, vraiment, s'ils sont encore bien travaillés, mieux travaillés et appuyés, vraiment feront euh, l'avenir des enfants de nos pays. Bakiri Suleiman, est-ce que les parents d'élèves sont conscients de l'importance de ces activités du jardin scolaire-là Effectivement, du moment où maintenant la communauté est associée, donc au niveau de chaque école, on a institué ce qu'on appelle le gouvernement scolaire les gouvernements scolaires, ce sont les enfants eux-mêmes qui, qui, forment leur gouvernement. Nous avons un Premier ministre, nous avons un ministre de l'Agriculture, un ministre de la Santé. Tout ça, c'est pour donner aux enfants la latitude euh, de, vraiment d'agir comme des adultes et de voir, euh, de se préparer en tout cas pour ce qui les attend dans l'avenir. Puisque nous sommes dans une société de, de démocratie, il faut apprendre l'enfant à faire le jeu démocratique. Et surtout, L'accent, on le porte sur la solidarité et la fraternité, la communion avec les autres, accepter son prochain tel qu'il est, accepter le sexe opposé tel qu'il est. Tout ça, c'est dans ce but qu'on a créé ce qu'on appelle les gouvernements scolaires. Les gouvernements scolaires sont appuyés par ce qu'on appelle les CGDS, qu'on appelle communément l'ancien COGES. Donc, c'est des structures de parents d'élèves. Nous avons les AP, les, les, les parents d'élèves, les mères éducatives. Donc c'est la communauté en fait qui choisit des leaders euh, du village ou de, la région pour les déléguer pour qu'ils soient partenaires de l'école. Tout ce dont l'école a besoin, l'école se tourne vers cette communauté. Et c'est dans ce but que nous sommes dit, si c'est bien fait, on a l'école du village, mais pas une école pour le village. L'école du village, c'est-à-dire c'est le village qui s'occupe de l'école, la communauté intégrée à l'école, l'école intégrée à la communauté, mais pas une école pour le village. Euh, Jibo Hamani Alfari, quel est l'impact des interventions de votre ONG, l'ONG Libo, dans le cadre de la promotion des jardins scolaires au Niger euh, Voilà, merci pour euh, cette question. Aujourd'hui, nous, l'impact est vraiment visible. Parce que quand vous, euh, c'est comme je l'avais dit, quand vous prenez l'exemple euh, de Guéry Guindé, vous partez euh, dans, dans la même commune, je vais rester dans la même commune, vous partez dans le village de Gonzare Berry aujourd'hui, vous allez trouver une classe en matière définitive qui a été construite par le, jardin, scolaire. Vous partez à Galban, vous allez voir un début, ils ont commencé aussi à à, construire une classe. Donc, eh, quand vous partez à l'école centre de, de Liboré aussi, vous allez voir tout ce que le jardin scolaire a pu financer. Donc, eh, eh, c'est la même chose au niveau de, de Balayara. C'est vrai que l'autre intervenant avait dit que c'est une zone dans laquelle il, y, a, de l'eau. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des perspectives pour les autres zones désertiques Effectivement, effectivement, il y a des perspectives. Et c'est dans ce cadre-là que je j'aimerais vraiment lancer un appel à l'endroit des autorités. Eh, parce que la première chose choses, pour faire un jardin eh, scolaire, c'est ce que M. Soumane euh, avait dit. Il faut la disponibilité financière, eh, foncière. Et cette disponibilité foncière, c'est uniquement les autorités qui peuvent prendre la décision pour euh, l'assurer. Premièrement, il faut délimiter les écoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles. Euh, si vous voulez faire un jardin, ils vont dire, bon, euh, prenez de là à là, mais il n'y a aucun papier. Et même l'école n'a pas été délimitée. Ce qui fait que quand vous investissez, c'est un investissement inutile. Deuxièmement, euh, quand vous faites le jardin, il faut d'abord vous assurer que c'est une activité qui est aimée par la population. Parce que M. Souman l'avait dit, dans le cadre des APP, des activités pratiques productives, si vous voulez initier quelque chose, il faudrait vous assurer que c'est une activité vraiment euh, qui peut être soutenue par, par la population. Vous voulez faire, euh, euh, par exemple, de la marioquinerie, il faut savoir dans quelle zone vous pouvez, vous pouvez faire ça. Vous voulez faire de la poterie, il faut, faut savoir dans quelle zone vous pouvez faire ça. Maintenant, dans la nouvelle zone, ou par exemple ce n'est pas une activité connue, c'est peut-être d'organiser des voyages de trucs pour amener les gens à voir et, comprendre l'utilité de cette activité avant, avant de l'implanter. Et à l'endroit de, de, nos dirigeants toujours, c'est de voir dans quelle perspective on peut euh, faire des évaluations pour amener les enseignants à s'impliquer parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un jardin scolaire, c'est très difficile de voir euh, euh, euh, certains enseignants s'impliquer dans, dans, les, dans les activités parce qu'ils trouvent que c'est salissant. Et puis, bon. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour euh, amener la population à, s'impliquer. Bakiri Suleiman, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour une meilleure promotion des jardins scolaires au sein des établissements scolaires au Niger euh, Nous sommes là pour euh, le bien de, nos enfants, le bien de notre pays. tous ces enfants qui sont formés, non seulement ils vont, ils vont comme M. Haman l'a dit, ils vont aimer euh, l'agriculture, ils vont aimer la nature, ils seront des, des gens qui, qui se soucient de leur environnement. C'est des générations futures que nous voulons créer, des générations futures responsables, conscients et qui aiment leur environnement, qui vont sauvegarder leur environnement, qui vont le protéger. Parce que nous savons très bien ce qui est en train de se passer maintenant la désertification à nos portes, il y a les changements climatiques, il y a beaucoup de dangers qui euh, menacent euh, l'humanité entière. Mais si quelque chose n'est pas fait, en tout cas pour les générations futures, on ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est pour cela que nous sommes en train de commencer euh, de, ce travail, de le préscolaire jusqu'au au collège, on continue ce travail, parce que l'enfant, une fois qu'il a acquis ses connaissances, il grandira avec ses connaissances dans sa vie future il va l'appliquer. Et nous allons créer des, des, générations qui aiment la nature, des générations qui aiment protéger la nature, qui feront des choses qui feront reculer euh, la désertification, qui, qui va reverdir ce pays, pourquoi pas. Et comme on l'a dit, euh, améliorer les, les, productions. Si maintenant, je vous donne un exemple, un, cultivateur qui continue à, exploiter son champ pendant ans, 3, 10 euh, ans, 15 ans, il ne sait pas ce qu'on appelle la jachère. Or, nous, nous apprenons aux enfants ce qu'on appelle la jachère. L'enfant apprend qu'il faut laisser reposer le, au moins pendant trois ans. Mais le paysan ne le sait pas. Mais chaque année, euh, au risque d'avoir euh, de, de, de, une, une, une, production insignifiante, mais l'enfant qui, qui grandit avec ses connaissances, s'il voit que son père agit de cette manière, il va dire, mais où ou tu laisses, s'il y a une possibilité d'avoir un autre champ, il laisse, le champ sur lequel il travaille en repos, ou bien maintenant il va amener les nutriments qu'il faut. Donc les composts, les fumiers qu'il faut pour que la production soit améliorée. Je peux amener Alfari. Oui, euh, moi ce que je veux, euh, je veux augmenter, c'est vraiment, il faudrait aussi qu'on mette l'accent au niveau de la formation euh, pour encourager ces jardins scolaires parce qu'aujourd'hui, c'est les ONG, c'est les associations qui sont en train d'appuyer les jardins scolaires. Mais euh, même ces ONG, quand euh, la structure envoie les techniciens qui doivent former les enseignants, vous allez voir que généralement, ce ne sont pas des techniciens aguerris qui ont la maîtrise. Parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, nos écoles qui forment les techniciens en agriculture, c'est des techniciens qui n'ont pas une formation pratique. Donc, ce qui fait que nous, au niveau de l'ONG Libo, nous sommes en train de préparer vraiment une école de formation pratique en agriculture pour former des techniciens capables d'agir directement sur, le terrain et qui ont la maîtrise euh, de la réalité du terrain. Les jardins scolaires sont d'une grande importance euh, dans la formation, l'apprentissage et l'éducation des élèves au sein des établissements scolaires. Sur le plan pédagogique, les élèves apprennent des nouvelles techniques pour euh, améliorer la productivité agricole. Ils sont également au respect de l'environnement et au développement durable, ce qui contribue à modifier les concepts de l'agriculture et de la vie rurale. Nous sommes au terme de ce forum du studio nous avons eu le plaisir de recevoir Bakiri Suleiman du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Jibo Hamani Alfari, président de l'ONG Libo, et au téléphone Soumana Haruna, enseignant à la retraite à Gote, région de Tilaberi. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou. Merci aussi à la technique côté son assurée par Saini Saka et côté vidéo Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.